Chers auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue à notre troisième rendez-vous de la semaine de cette émission Le Niger sur Kalangou au micro, c'est Ali Munkela alias Seno et à mes côtés Mariam Adea. La technique est assurée par Amina Hassan et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki accompagnée par Khadija Isaka. Mariam, bonjour, comment tu vas Ça va bien Seno et toi Ça va bien, Alhamdulillah. Super, alors quel est le programme d'aujourd'hui Eh bien Mariam, nous, nous aurons avec euh, le flash d'information. Nous ouvrons avec le flash d'information suivi euh, euh, de l'écho des régions qui nous amènera à Tilaberi, plus précisément à Baleara pour parler environnement. Ensuite, il y aura la chronique Loti de la rédaction par le desk femme de... Ensuite, la page sport et ce n'est pas tout. Et oui, c'est nom de la rubrique hebdomadaire, nous poursuivons avec l'environnement et cette fois-ci, nous allons parler du nouveau texte sur la, régénération naturelle assistée RENA. Ensuite, nous recevons comme invité Hamadjoubou Abdelwahab, président du club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement inclusif à CPD. Oui, toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, de la culture linguistique. Nous allons clore avec les messages de nos auditeurs recueillis par nos reporters en mission à l'intérieur du pays. Installez-vous confortablement, c'est parti. Voici les flashs à Simpli Tardé présentés par Ruket Abdraman. Bonjour Ruki. Bonjour Mariam, bonjour Sénon, bonjour fidèles auditeurs. Alors le chef de l'État, le général Abdraman Tchani a reçu le mardi 3 octobre 2023 à son cabinet Igor Gromiko, ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Niger avec résidence à Bamako au, Niger, au Mali désolé au Mali. Selon le diplomate russe, plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays ont été abordées. Il indique que les relations entre le Niger et la Russie sont très amicales et nous avons beaucoup de coopération entre entre les deux pays. Par exemple, ces derniers temps, nous avons augmenté le nombre des bourses pour les étudiants nigériens qui souhaitent faire leurs études dans les universités russes. Igor Gromiko, ambassadeur de la Russie, s'est réjoui de l'invitation du chef de l'État à déclarer Je voudrais encore une fois de plus remercier le chef de l'État qui a bien voulu m'accorder cette audience. Nous entretenons des bonnes relations avec le Niger, comme d'ailleurs dans plusieurs pays du monde et d'Afrique. Nous avons développé des relations bilatérales. Autre rencontre hier, cette fois-ci entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Lamine Zen, et les chefs traditionnels, les leaders religieux et la société civile afin d'échanger sur la situation sociopolitique que vit le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Évoquant le cas des sanctions de la CDAO, le Premier ministre a indiqué que toutes les conditions de médiation ont été remplies, mais ils ne sont pas toujours pas revenu avec des propositions de levée de sanctions concernant la situation économique du pays. Le Premier ministre a également fait savoir que des dispositions sont prises pour faire rentrer les vivres du côté du Burkina Faso. Du sport, pour terminer ce flash, le capitaine de l'équipe nationale de football du Niger, version Chan, appelé aussi MENA Aprim, Bourem Abdoulaye Katakore, est depuis le 2 octobre société du club Almina Sport Club de Bassoura en Irak où il a paraffé un contrat d'une année. Désormais, l'ex-joueur de l'AS Douane du Niger, l'un des cadres de la défense du MENA national, jouera la saison prochaine sous les couleurs de son nouveau club en Super League irakienne. Il se retrouve ainsi, il retrouve ainsi ses compatriotes Karim Doudou, avec lequel il partage la même équipe, Ismaël Isaka, qui est à la nia Boubakara Boubacar besto qui est à Zarko C. FC et surtout Majid Boubakar du club Al-Sharta qui a ouvert la voie aux joueurs nigériens de prêter leurs services en Irak. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci Rukaya. Chers auditeurs, accueillons ensemble Hammajibo Abdelwahab, président du club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement inclusif. Bonjour euh, Hammajibo, merci euh, d'être avec nous. Oui, bonjour Seno, bonjour Mariam, bonjour Rukaya. Bonjour. Avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter la chanson de Dawaman qui nous revient avec le titre Envoyez-les à l'école. vie T'as le but de la même, le même s'exprimer Le c'est la peine, ma de la vie C'est la de la dans ce qu'on les est la de l'élimites à comprendre. oui, la chanson Envoyez-les à l'école de Dawaman transcende les frontières musicales pour devenir un cri de ralliement pour l'éducation en Afrique, en particulier au Niger. À travers ses euh, chansons, l'artiste met en lumière les obstacles auxquels sont confrontés de nombreux jeunes qui aspirent à l'éducation. Les paroles poignantes et la rythmique véhiculent un message essentiel. Dawaman aborde des thèmes tels que la lutte contre l'analphabétisme, la nécessité de construire des écoles et d'investir dans l'avenir de la jeunesse africaine. C'est la clé pour briser les cycles de la pauvreté et de l'ignorance. Oui, en fin de compte, envoyer les à l'école de Dawaman est bien plus qu'une simple chanson. C'est un appel à l'éducation. Voilà, chers auditeurs, envoyez-les à l'école. C'est le titre de cette chanson de Dawaman, tout en espérant que vous avez aimé. Retour au studio avec notre invité du jour. Il s'agit bien de Hamajibo Abdulwahab, président du club CPD, club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement inclusif. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et le développement, bien évidemment, inclusif. Alors, Abdulwahab, quel est l'objectif principal de ce club et comment intervenez-vous sur le terrain Oui, bonjour Seno, bonjour euh, Mariam. Bonjour. Et avant de répondre à cette question, mhm. permettez-moi de remercier le Tout-Puissant mhm. qui, par sa grâce, nous a permis de se retrouver ici. Mhm. Et permettez-moi aussi de remercier le studio Krangou qui nous a offert l'opportunité de venir euh, parler du club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et du développement inclusif. Tout d'abord, je réponds au nom de Hamajibou Abdelwahab, étudiant en licence 3 de sociologie et anthropologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdoumoum de Niamey. Je suis travailleur bénévole au sein de l'organisation internationale euh, Justice et Dignité pour les femmes d'Israël mhm. et président du club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et du développement inclusif, ce qui fait l'objet de notre euh, émission, de notre entretien avec Lucido Klangou. Mhm. Merci. Alors, euh, je vous ai demandé quel est l'objectif principal de ce club et comment intervenez-vous sur le terrain D'accord. Et le club CPD est une organisation à but non lucratif hmm. qui a vu le jour en fin 2020. Hmm. Et il a été créé par euh, moi, moi-même et un de mes camarades il s'agit de M. Boubacar Laya, mm. que je remercie vivement mm. pour sa contribution à améliorer les conditions mm. des étudiants de l'Université Abdou Moumouni. Mm-hmm. C'est un club qui est actuellement membre du, réseau CLEF, des clubs leaders étudiants francophones de l'Agence Universitaire de la francophonie. Mm-hmm. C'est un club aussi qui est membre du réseau sous cluster VBG de INFPA des Nations Unies, section mm-hmm. Niger. Et c'est un club qui intervient dans le domaine de la vulgarisation scientifique mm. qui intervient dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social. Mm. C'est un club qui, qui intervient dans l'environnement mm. et aussi de l'inclusion sociale. Et qu'est-ce que vous appelez entrepreneuriat social Et l'entrepreneuriat social renvoie au bénévolat, à mm-hmm. l'engagement communautaire. Ok. Mm-hmm. Et actuellement, est-ce que il y a, vous, comptez combien de membres actifs au sein de votre club Actuellement, le club CPD compte euh, 8 membres mhm. et plus de 54 bénévoles. Waouh! Oui. Waouh! C'est applaudir quand même. Alors, euh, dites-nous quelles sont les principales initiatives mises en œuvre au profit de ces étudiants de l'université. D'accord, et merci pour cette euh, question. Avant de répondre, euh, je vais vous expliquer mhm. le contexte dans lequel le club CPD est même caractérisé mhm. et créé plutôt. Et en effet, le club CPD est créé dans un contexte qui est, qui est caractérisé par une urgence. elle est caractérisée par une urgence de plusieurs problèmes. Parmi les problèmes, j'ai cité deux problèmes majeurs. Mhm. Il s'agit du faible nombre d'étudiants entrepreneurs et de la fracture numérique constatée auprès des étudiants de l'université Abdou Moumouni. Mhm. Et en 2021, nous avons fait une observation et une observation par nos, nos membres les membres de notre club. En 2021, l'Université Abdoumoun compte 21 000, 21 000 excusez, 28 226 étudiants inscrits. Cependant, il est regrettable de constater que parmi cet effectif considérable, un très nombre d'étudiants s'engagent dans l'entrepreneuriat. Hmm. Cette situation a des répercussions importantes et notamment la, la du chômage. Mhm. Et nous avons l'exposition des jeunes femmes étudiantes à mhm. plusieurs formes de violence. Mhm. Parce que ces, ces dernières enquêtes d'opportunités sont des cibles, des proies faciles pour plusieurs sortes de violences. Et aussi par rapport à la fracture numérique, nous avons fait une observation à l'université, à la fac de lettres, que la majorité des étudiants, à peu près 75% des étudiants, n'ont pas d'adresse mail d'adresse email. Mhm. Et ceux qui en ont, la majorité n'ont pas une idée, l'importance de, de c'est une adresse email. Mhm. Et dans ce monde numérique, dans ce monde eh, dominé par l'Internet, mhm. un étudiant qui n'a même pas eh, une adresse mail, et eh, comment, comment il peut avoir des opportunités comment euh, il, peut maîtriser l'intelligence artificielle qui domine, comment il peut créer des profils link, comment il peut, recevoir des opportunités venant du numérique. Mhm. Effectivement, parce que même pour envoyer un CV, il faut, il faut, il faut forcément euh, euh, un mail, n'est-ce pas Alors, euh, on, poursuit avec vous, mais avant de continuer, n'est-ce pas, Mariam, nous allons faire une petite pause musicale et cette fois-ci, ça sera avec l'artiste Danili qui nous chante ici le titre Garde, espoir. C'est qui Léo Léo Viens voir Quoi Qu'est-ce qu'il a, Dani? <laughs> Je l'ai vu avec une corde au cou. Hein Mais où ça Oh, Dani, Mais dis-moi que c'est-tu Est-ce avec ces corps que je t'ai vu Est-ce que vraiment t'as tu à faire le nœud du pendule. Yo je t'assure, tu fais un pas de plus, je mets terme à ma vie. Et tu auras ma mort sur ta conscience à vie. Tu me connais assez, tu sais que j'ai pas l'air de plaisanter sur ce que je dis. Oh, t'es pas le seul à avoir des Même ta gueule, tes yeux, sois pas aveugle là. Mais pourquoi tu comprends pas de quoi je te parle Et de quoi tu Ok, je t'informe, les coupables de la vie ont fait de moi un homme rebelle. Maintenant dans mes actes je suis formel J'ai plus le timing de supporter le dieu de vivre sans oseille Ou de toujours tendre les mains vers le ciel Alors ne viens pas ici me demander pourquoi j'ai les nez crispés Le sang ragé, l'esprit traumatisé Le pourquoi tu le sais Système de Niamey Garde espoir, même si le système t'agresse ventre un noir. <laughs> Je te comprends, Dani, mais calme-toi. Moi, me calmer de ma chienne de vie, tu vois, c'est quoi, toi Je t'explique, mec, depuis que j'embrasse le rap, sous mon lit, j'ai fait mon bac. Je suis toujours en manque de fric, la forme de ma vie me plaque, les yeux de ma mère me braquent. Pour me dire, fiston, tu dis rap, y'a a rien pour toi de la musique, ma vie n'est faite que l'échec Et toi, tu viens ici me prendre la tête. <laughs> T'es malade ou quoi raison pour en finir avec vie, des milliers comme toi qui ont rêvé d'une meilleure vie n'ont pas perdu la foi en la vie, alors réagis. J'appelle Lucie. Yo Lucie, décroche, décroche. Pas vrai, il est toujours sur répondeur celui-là. Négro, t'as pas besoin d'appeler mon poteau. Lucie et moi, c'est comme se souhaité mon micro. On se partage les mêmes ghettos, on se coince les mêmes bédos. On est tous dans le même bateau face à cette tempête, manque de boulot. Man, je peux pas te compter le nombre d'années qu'on est en train de poster. Et jusque-là, on n'est pas encore retraité au ministère du RAP. On continue de dégainer bien qu'on a les poches trouées. En plus, je j'ai eu à scratcher pour raqueter le poids. Fumer, poser le thé dans ma fada pour me calmer. <laughs> Frérot, je sais même pas pourquoi je te parle de ce que tu sais. Garde tout ce que tu me diras, ton suicide n'excusera. Je sais que t'es dans la merde, mais pense un peu à ta mère qui t'aime. Si dans ce monde impitoyable, on se permet de baisser les bras. Appartenir à l'humanité, nous n'en serons plus dignes. Tu à ta mère, fais au moins pour elle. Ouf, tu nous a fait une belle peur. on peut nous refaire quelque chose comme ça. radio télévision furtaji dagar ke kulu batarago albara gini mugutun daranto ko ko susubo du fond oui, zan un no de ale kan ngonde sande ko kore ton darado. na ke gutun dunya agba suru sura te ngdo Kabi, wayi tabi awor gom kani kango radio télévision Et oui, même si le système t'agresse, garde espoir, c'est le titre de cette chanson chantée par l'artiste Danili. Et oui, retenez tout simplement que Danili est un chanteur, rappeur du Niger. Il compte dans sa discographie l'album Boulala, publicité par le public nigérien. En 2009, il a reçu le Hein, du meilleur artiste solo et celui du meilleur clip vidéo au Niger Hip Hop Award. Danny est un artiste engagé, son flot sans faille et à l'image de ses textes percutants et cinglants. Voilà, tout en espérant que nos auditeurs ont kiffé ce titre Garde espoir. On va continuer à garder espoir. Alors, retour avec euh, notre invité, n'est-ce pas, Mariam Hama, alors, Hama, parle-nous de ces initiatives mises en œuvre au profit de ces étudiants. D'accord, ok, merci. Avant de parler des initiatives, je vais d'abord euh, parler des objectifs. Euh, avant de parler des initiatives, je d'abord parler des objectifs du club des étudiants pour la promotion de l'entrepreneuriat et du développement inclusif. En effet, le club CPD a pour objectif de contribuer à l'animation de la vie étudiantine en milieu universitaire, de favoriser le développement de l'autonomie, de l'initiative, du sens des responsabilités, de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Le club CPD a pour objectif de promouvoir les valeurs liées à l'engagement, des volontariats, d'esprit d'équipe, d'entraide, de solidarité active parmi les étudiants nigériens. Sensibiliser les étudiants aux défis sociétaux majeurs, majeurs lutter contre les violences basées sur les genres en milieu universitaire, éduquer les étudiants sur la santé sexuelle et reproductive, travailler à la réalisation des objectifs du développement, du développement durable, former les étudiants aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et eh bien, c'est là. Pour atteindre ces objectifs, nous avons initié plusieurs objectifs. Nous avons initié plusieurs euh, activités. Ah. Et nous avons organisé des conférences sur l'entrepreneuriat, hmm. des conférences sur euh, les défis sociétés majeurs, des, formations sur l'entrepreneuriat, des formations sur le numérique, sur les outils digitaux. Nous avons organisé des visites. Nous avons eh, mené des campagnes de sensibilisation sur les objectifs du développement durable. Mm. Nous avons organisé des panels suivis des ruptures collectives et nous avons, nous avons, nous, avons, nous avons créé des groupes WhatsApp mm-hmm. et consacrés pour des partages d'opportunités. C'est-à-dire s'il y a des formations qui soient en mm. ligne, des formations à envoyer, nous allons directement envoyer ça aux, étudiants. Mhm. Et pour ça, nous avons l'appui du Centre d'employabilité francophone de l'Agence universitaire de la francophonie mhm. et de Niamey qui nous appuie par rapport à cela. Dès qu'il y a offre, il y a opportunité pour les étudiants, on envoie directement dans, ces groupes-là. Mhm. Vous avez parlé euh, des de, campagnes de sensibilisation. Où est-ce que vous avez tenu ces campagnes C'est uniquement euh, à Niamey ou bien vous, êtes parti au-delà de Niamey euh, pour aller à l'intérieur du pays D'accord. Et pour l'instant, mhm. le club CPD intervient uniquement à l'université Abdou de Niamey. Mhm. Et les campagnes de sensibilisation que nous avions effectuées, c'était à l'université, plus précisément à la faculté d'agronomie. C'est là-bas que nous avons fait la, campagne mhm. de sensibilisation sur les objectifs du développement durable. Mhm. Et comme vous l'avez constatez, et nous avons constaté que la majorité des étudiants de l'université mhm. n'ont pas une connaissance de, ces objectifs-là. Et pour pouvoir euh, impliquer la jeunesse et estudiantine à travailler pour... Euh, pour euh, euh, atteindre les ODD d'ici 2030, mhm. il faut que ces étudiants aient une connaissance de, de, de, ce qu'est l'objectif. Mhm. Et vraiment, sur, euh, sur une échelle de, 10 étudiants, 8 voire 9 ne, ne connaissent pas les ODD. Mhm. Donc, si réellement on souhaite contribuer à atteindre ces ODD, il faut que la jeunesse s'implique. Donc, pour que la jeunesse s'implique, il faut que les étudiants aussi font partie de la jeunesse, ils doivent mm-hmm. s'impliquer. Mm-hmm. Oui, oui. Alors, euh, vous avez également créé des groupes WhatsApp pour le partage des opportunités. Est-ce que ces groupes, parce que vous venez de dire, euh, votre club n'intervient que au sein de l'université, est-ce que ce groupe aussi est limité uniquement pour les étudiants de l'université ou bien vous pouvez ajouter euh, d'autres jeunes qui sont dans d'autres universités de la sous-région ou bien de l'intérieur, de, l'intérieur, par exemple à Maradi, à Tawa, nous avons des universités euh, à Dosso, hein, à Tilaberi par exemple. Est-ce que votre groupe WhatsApp se limite uniquement pour les étudiants de Niamey non, notre groupe euh, WhatsApp ne se limite pas uniquement aux étudiants de l'université Abdou de Niamey. Ok. Et des fois, hmm. il y, y, a des étudiants de, de l'université des Zender, hmm. des DIFA même, d'Agadez qui nous contactent, ils sont intéressés à adhérer le club. Mm. Et je les, je les écris, je les disais, malheureusement, le club pour l'instant mm. est uniquement à l'université de de Niamey. Mm. Des fois même, si nous avons des formations... Vous n'avez pas encore eu votre agrément qui vous permet de, de servir un peu euh, partout au Niger ou bien... Le, club CPD est autorisé légalement par les rectorats, mais on n'a pas eu d'agrément mm. pour pouvoir mener nos activités dans les autres universités du mm. Niger. Mm. Oui, oui. Il y a, y a, des étudiants qui nous écrivent, ils sont vraiment intéressés à suivre des formations. Je leur dis vraiment, c'est pas possible, vu qu'ils ne peuvent pas faire le déplacement pour venir à Niamey suivre les formations d'une seule euh, journée. C'est pas, pas du tout euh, facile. ok Mais nous avons l'intention de de, comment dirais-je d'élargir d'élargir le club à mhm. l'université des Zender et à mhm. l'université d'Ottawa. OK. Oui oui. D'accord. Alors euh, enfin, quels sont les, prochains événements hein, ou projets auxquels les étudiants intéressés euh, par ce sujet peuvent participer au sein du club D'accord. Actuellement, nous avons un projet qui est déjà en cours. Ok. Il y a l'appel à candidature, c'est le projet Student 5.0. C'est quoi ces Student C'est un projet hmm. qui répond au problème de la fracture numérique constatée ah. et auprès des étudiants de l'université de Niamey. Mhm. C'est un projet et, en 15 sessions de formation. Mhm. C'est sur le Google Workspace, mhm. l'intelligence artificielle conversationnelle, les chats GPT, et comment créer des profils LinkedIn et Canva, comment, comment, euh, euh, comment dirais-je comment créer des comptes Canva, utiliser Canva, comment remplir des formulaires, mm. et etc., etc. Ok. Alors, euh, merci infiniment, euh, Monsieur le Président du club, d'avoir euh, non seulement répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons bon vent dans ce que vous êtes en train de faire et à très bientôt. D'accord, ok, merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler environnement, n'est-ce pas Oui, Mariam, aujourd'hui, dans notre rubrique environnement, nous parlerons hein, des actions de l'homme telles que la coupe abusive des bois qui porte préjudice à l'environnement. Euh, la désertification gagne chaque année des parties du territoire du Niger. Pour préserver et restaurer l'environnement, un nouveau décret sur la, sur la, régénération naturelle assistée RENA prévoit des avantages aux populations rurales qui acceptent la pratique de la RENA. Les détails dans ce reportage de Moustapha Mansani. L'économie de la région de Zender, comme celle des autres régions du Niger, repose en grande partie sur l'agriculture et l'élevage, qui sont affectés par des événements climatiques et surtout une surexploitation des ressources végétales. Pour y faire face, les autorités encouragent la régénération naturelle assistée RNA à travers un nouveau décret de 2020 colonel Badao Kalla, directeur régional adjoint de l'environnement et de la lutte contre la désertification de Zender la pratique de la RNA, la régénération naturelle assistée au Niger. Ce décret offre une certaine faveur aux pratiquants. Par exemple, il est permis à tout paysan de repérer, de protéger les jeunes arbres qui ont poussé dans les champs ou bien faire les plantations. En matière de jouissance, donc le propriétaire de ces champs, est prioritaire d'abord pour euh, l'utilisation des produits et sous-produits issus de ce bois. La régénération naturelle assistée consiste à protéger et gérer les repousses naturelles que produisent les souches d'arbres et arbustes dans les champs. Certains villageois des départements de Magaria, Miria et Tarka sont sensibilisés à sa pratique et ils constatent des changements. uku zuwa hudu nan gaba to za mu sami itatuwa masu yawa da itatuwan waɗanda babu su ma a ƙasar tamu to za mu same su tunda sun kwatanta mana za mu reni kankana ma wanda ba mu da su su ma su yi girma har su amfani kowa da kowa. a mun ga sauyi sosai ma mun samu canjin yanayi abubuwa kalaluwa da yawa sun sauya kuma ga banna ma ta itatuwa ka shi ma adalin sa zama nan kaga sun rage duk ba banna da yanzu in da ne zai walkan duk ganin zaka mun sharbe ma ta ita wannan mun kashi gari samu zamanin nan gaskiya mun ji shi mun samu canji a karkara gaba daya tun daga ranin ma muka samu ci gaba na dajin wanda ba a isa barin komi a sare mu gwanda a sare mu kalgo a sare mu kaba ka kewa a sare Pour encourager la pratique de la régénération naturelle assistée, le nouveau décret prévoit des prix aux pratiquants, ajoute le colonel Badaw Kalla. Il est prévu par exemple des dispositions pour inciter par exemple la population à le faire. C'est le cas par exemple de prix de la RNA qui est institutionnalisée au niveau national où ça se fait chaque année donc à l'occasion de la fête nationale de l'arbre. Et pour cela, vraiment, il y a des missions qui sillonnent toutes les régions pour identifier les lauréats. Maintenant, en plus de ça, il y a aussi une autre possibilité au niveau régional d'organiser ce prix. Donc, il y a aussi un autre aspect par rapport à la pâture vaine, là où qui est autorisée dans les champs, mais aucun éleveur n'a le droit de toucher à un arbre. Et là, euh, le paysan qui a protégé ses arbres et autres il euh, le trouve un délinquant, donc elle peut porter plainte contre lui. Et pour cela, il y a aussi une autre issue de sécurisation qui est prévue. Donc la communauté qui pratique la RNA peut s'organiser en comité de surveillance. Un couvert végétal assez fourni favorise des pluies régulières et abondantes, stabilise le sol et bloque l'avancée du désert. Voilà, chers auditeurs, après ce reportage édifiant, prenons une pause musicale. Et cette fois-ci, le prochain son vient euh, du groupe euh, Black Daps qui nous chante ici Bouge. Ce soir y'a pas de malaise Bouge Je mon sens qui pèse Bouge Bébé mets-toi à l'aise Bouge Et tu le plus pour les l'aise Bouge Et tu le plus pour la fièvre Bouge Comme les mamans pèsent je viens te mettre en condition. Libérer tes illusions. À moi, j'ai la conviction qu'il faut proposer la pression. Appelle-moi détonation. Dans la vie sur scène, comme sur 10. Je passe toujours en action pour accomplir ma mission. Toujours dans la bonne direction. Pour que ça vende des millions pour les habitants des bas-fonds. Ce soit dans la place en surface, faut que ça gesticule à fond, comme dans les campagnes d'élection comme comériques. Faites à sonorisation pour te donner des frissons. J'ai l'air et la manière de faire j'arrive aux émotions. Sonia King sonne, un avant Washington. Faut que ça sonne, sonne, faut que ça sonne, sonne, faut que ça sonne, sonne. Car ce soir y'a pas de malaise, bouge. Je mon sens qui pèse, bouge. Bébé, mets-toi à l'aise, bouge. bouge Et tu le plus pour les salaises bouge Et tu le plus pour la, la bouge Comme les mamans pèsent Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge Somebody move, nobody get a hit, yo Take up a space, come on let me see you rock the stage Cause tonight, spotlight gonna rock the brain Music in my heart when I play, I feel no pain How long will you live, receive, I never get How long will you listen to the message that I bring Every single word I might not the same. Some live big, some live small, some want all. Some can't even get little food to eat at all. This is the reason why my people no can see. I found the wrong did, did the wrong still. No more stumbling, no more backstabbers. Ill niggas, fit niggas. Money got deep to where to make niggas, you fit niggas. This is the voice of the Rastaman, a fireman. Me now feel burn, a rascal, wicked man. Struggle for the soul of nation, here I come kicking. A child with the dream and the man with the vision. Let them serve, betray, and come on Sing the complex, et my power now. Bouge, car ce soir y'a pas de malaise. Bouge, sous mon sang qui pèse. Bouge, bébé, mets-toi à l'aise. Bouge, bouge, bouge, Et tu le plus pour les l'aise Bouge, et tu le plus pour la largue. Bouge. 别走。 se bat contre des pour ne pas finir égorgé contre des moutons. Lève le poing et nique le système pour de bon. C'est pour de qui cherchent à nous pour des cons. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire quand je vois ma génération tiers qui désespère. Dans le pays, partout c'est la misère. Et aucun docteur ne peut guérir ce cancer. Hommes, femmes et enfants ne mangent pas à leur pain. Ils ont besoin de tout, mais ici, il n'y a rien monde c'est juste un peu de pain. Trop de maladies, mais pas assez de vaccins. Chaque jour, protège-toi et fais attention. Ici, trop de problèmes et aucune solution. Dans les villages, en meurt de malnutrition. Je te parle de réalité et pas de fiction. Voilà, bouge, euh, chers euh, auditeurs, auditrices, euh, c'est tout simplement la formation Block Black Daps hein, qui a commencé son aventure musicale en, 1997 à Niamey. Le groupe compte dans sa discographie deux albums. Après plusieurs tournées au Niger et dans la sous-région, ils s'investissent à 300% dans le hip-hop, travaillant d'arrache-pied leur voix et leur jeu de scène, tout en professionnel professionnalisant leur technique musicale. Le résultat ne se fait pas attendre. Black Daps devient le premier groupe de l'histoire du rap nigérien à triompher sur la scène du centre culturel franco-nigérien lors d'un concert en live. Après cette pause musicale, nous, on passe à l'écho de région. Effectivement, Mariam, et direction Tilaberi pour parler des avantages des énergies vertes. Eh oui, nous les l'énergie renouvelable ou l'énergie verte et naturelle est peut-être utilisée en milieu rural. Quelle est l'importance de ce genre d'énergie et quel avantage pour les agriculteurs Réponse avec euh, capitaine Abdou Zakou, euh, directeur départemental de l'environnement de Baleara. Il est au micro de Saidi Abdou Widantan. ifo ci lantarki bogo lantarki bogo giti lantarki kan da borgo go goida ba kan ni go goida asban koy ne lokci kulu age ga barbar no ga borgo duwa ta batamara kan da anda mi zai go ga bafu ne aga fatta wayna ga aga fatta hariga aga fatta hauga turin da subu yankulu aga fatta ga ifo ci lantarki bogo nafa na fai ga bagu mu ir bafu na fondara ya gerno tanji kan ganan doktor kware go radio go goidai far mu fonda do kala go ki ga tedini igo da pano solar rodin har no kan sina ha wato kul kan nama kambadan zibara ga essence dai gane nama hangandi jana banga singi aganga girete agogo goy ambarka dai da bateriyo babu nun bateriyo barmai wala niga zara zara sambu dai no ga tu su da kusa kan ganan agoyo mu bori dirna sambu baraje ki ga te isai bon a ganan batama haro ki ga gabo zabu gudu dan jodin haro dini iga sai sai sai sai ka batamai kan ga manara batamai dini borai ga farmi te da i borai ga darbayante gamara kan na ka wadin mu an kulki go baraje din te di ko go gun sage almanai ngai mu go ka ba funai na fafo no lantarki bo kan da alfarese na fa bero dai kan aga kan da lokacin kan borago ga a gyawo goyote da bayan ka daidai na noru ka gane ni ma su dai wala haifo ga hangandi pano solero no barada di hangandi su bai kudda tunu da koi ngu buton wa ne na ga a amin ga hangandi ngote ambarga ka donc ya a sin asindu noru goyo gace na kawo din koi ne dai dumizo bumbo dumi dumizo kan borgo goida se de lantarki no du borguna dumizo lahani kunno astase dumizo gate gaza kunno suka ga zumbaga kan da borgo ga banwa borga han bano sam hinga kan da haifu barkan go da pano solar asindu kosongu kaga te batamara barkan go a mara bai ba hala gohan hangandi ka dai dago di haro ke en fonarang da alfredo ke ngo kirgate borai imu kokari ariwo dubor manasi ke foyan bor bai albarka gwara borai kulka yan gogo goida lantarki bogo kuna dini mu koi go goida lantarki kan manta lantarki bogo sati igidi kan noru saryan borai yan ikan kayan goyo dai no wadini dinni ke noro kan naga dandini igiki ni sai margina gate dinni sine kalora aga ni fulanza Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. c'est nous, avant de continuer notre émission, je pense qu'on va s'échauffer un peu avec du sport. tu hmm. T'es prêt, j'espère Bien sûr, Mariam, je suis prêt. notre... Et notre chroniqueur sportif, Gourouza Hassoumi Karimou, est dans la place. Gourouza, bonjour. Euh, bonjour Céno. bonjour Mariam. <laughs> Bonjour Gourouza. Bonjour. Pour débuter cette page, parlons de la préparation des équipes de Niamey pour la Super League qui va démarrer le 27 octobre prochain. Oui, Myriam. C'est l'association régionale du Niamey qui, chaque année, organise ce tournoi aux équipes qui vont participer à la Ligue des champions. C'est une initiative propre euh, pour une mise en jambe des équipes de la capitale. Après un repos bien mérité de quelques mois, vous le savez très bien, les joueurs euh, vont en vacances et il faut donner un sang frais aux joueurs qui ont pris probablement euh, des, quelques kilos en trop. dans la région, on parle, euh, dans notre jargon, on parle de dégraissage mais aussi permettre aux entraîneurs de faire leur euh, dernière retouche avant la Super League, qui est la première compétition d'ailleurs de football au Niger, car c'est seulement les équipes qui sont au top y participent. Alors Gourouza, quand débutera le tournoi de mise à jambe oui, euh, sinon il faut noter euh, que le tournoi de mise en jambe aura lieu au stade euh, municipal de Niamey du 7 au 18 octobre 2023. Il y aura deux poules, pôle A poule B. Dans la poule A, nous avons AS Zumunta Olympique, AS Fan. Dans la poule B, on a AS Garde Nationale, Racing Club, Sahel, US Gendarmerie. Les matchs commenceront le samedi prochain avec euh, les rencontres euh, Zumunta, AS et le dimanche entre l'Olympique et l'AS Fan. Alors, à Grouza, parlons arts martiaux. Les championnats d'Afrique de taekwondo se profile à l'horizon. Oui, Miriam, euh, Myriam, c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la compétition à partir du 5 novembre 2023 et le Niger se prépare activement. La Fédération nigérienne de taekwondo va mobiliser euh, plusieurs combattants dans les différentes catégories. Il se pourrait d'ailleurs que Alphaga, notre champion mondial, participe à cette compétition. Et voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza. Mariam, aujourd'hui dans la rubrique Portrait, nous partons à la rencontre de Tidiane Traoré. Il est âgé de 45 ans, originaire du Mali. Tidiane exerce son activité de teinturier ici à Niamey depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, euh, Tidiane, grâce à son professionnalisme dans le métier, il s'est fait une renommée et forme à son tour des jeunes. Notre reporter Omar Hamma était à son lieu de travail au rond-point Liberté. Tidiane Traoré nous parle de son métier et de ses difficultés. ngane ko te nyamera ne to ifo no ni dan bazen tente yora bon ni be gwe kuldinga misale no ni ka matkan boro ka ma ka dimo do ngudu go do gwe fo do ngudu don don kite ni mi du matkan gi nafa ome to yugo gora bisi ba yi wochi ni yugo gora na ikite matka yudu ngwa ikite matka an fo boro gudu an fo boro sidu ne fam bon c'est le de marché gono boro gudu matkan gi ba de marché sino morsidu tare boro ndu me ngwar kwa ne fam son ay go gora ay to son abisede jiri waranka ay hijara ay hara ay go neo nyamera neo okay travere ni gengir famandi na fayon kan ni gora ga dugo yo wora bon gora na fa kangara din ni goyi ni koy yawora ni nera ni dun kena an ten na fa zama go songo asinda na fa yade zama din sinda importance bobo kanga nimbo avenir ya siya gonda ba kufoka bo borem te kene kene kan ko dukanga ni muraro te ne fam ne be ndi kile mo gonda sa ne fam fo borogo goy ne mo ko en sidu noro an fo borogo goy ne mo ko ne mo dun kera woni kulu yongo wono so borom fo may mu commande e sema te kan ga ban mo yek sam perdo ko na kulno gono inshallah go yo worani be gedu sande ara sande bobo tama fa ngon ne gudu ni noro sidu noro fa ngon gi non se jina ne gi perdi jina kan mi ga bana ko ne gonda sande bobo ne fam lokso kidi banga jia di man dua agende hawa fa agonda perdi agonda nafa ne be kamba go kal suru yande ne rigande to travere ke yon fono ni gite bore kan sinda kambe go kanga goro ke ko ligane kala ima du dagabi bon an kuno an duniya bon te ko le on asiboro nafa matkul kan borate ba gurumuya ba danawya ay kul kano ikul no go tunu don to go ko ay ce yan kan to e ka bor kan ko gor kama go im tunu go don don im wana zama zama mo mona don na go wana ya ba ma te seri ne fam din go don wana ani no gidi anafa adi mon don ko gi che e kole to di mon te ze ni gi te zara kante wala ni gi te furgo asite o me o se no yero di fata bayir e si dago yiri che tigi don to goy iri mite matkan iri mo yendi kwa won bon wono go Voilà, chers auditeurs, euh, pour notre toute dernière balade en musique, restons toujours dans le style HIP, HOP, le hip-hop, pour euh, kiffer le son bizarro de l'artiste naturel Black. C'est parti. Mes chers auditeurs, Bizarro, c'est le titre chanté par l'artiste Naturel Black, un titre qui critique un certain nombre de comportements que nos sœurs hein, pratiquent ici au Niger, le fait de raqueter leurs petits copains avant même le mariage. C'est ce genre de comportement que l'artiste Naturel Black est en train de critiquer sévèrement dans ce morceau. Alors, euh, Mariam, c'est l'heure du loti du jour, n'est-ce pas et eh oui, c'est de la chronique Lotti de ce mercredi. Nous parlerons d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui ne dit pas son nom par certains enseignants pendant les heures de classe. En effet, c'est un constat qui montre que euh, des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou euh, des travaux domestiques. Cet acte est une faute grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons Rakia Arimi et Samira Rouafi. <laughs> Eh, Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. alaikum. Wa, wa alaikum wasalam furo maino. A'a, ai kyarala tres Matin ga hamu. Hm. Ba ni gihin gati. Da zan kai wa gogin gai kyauyen ai te matuka himanda isi gi forai dan ira. Gun irkwai sai ika yai matuki ga himanda. Aiwa wa sai sai wallahi. ba ai kyara. Ni mgin bon hano gina. Mangano masala wo gofun. Ifo sai non lokoli zai go hayi wote. Hmm. Amon tom ni mi ha me ni mo. Nyan talino me. Ha? Kisi mo dan i wani kyauyen ai ga. di kwaifu ayya dai aigo gi ke wanda matuka himanda hmm. hagino kan ga fala nim ne ba fo tali gaga amma ni woni sidi ni wono to ai wo mantuwa dino kan dai ai man tagan lokolo ya marko to ki ai sai fono katani ai wana klasora madalla ai mai ne zakan lokolo sintin nigin lokoli zai sambani kwaga im koi ga habugu sun da hankan himanda tenisi ifo manoni ma wone kai gina ai mamba ine mboda koi ne ni go gi ndiz ken ken fo en ni la ize go ga ni ma no ise mi ga ne ga lakol izi ga wone mbog hingi chawya laure weni barnisi hay kan ay te ay kala sora asin guna walla hasin guna mo manti kyawe wa wata no ay go gi dan gino dira i fulan zama kai na ki arana gi dan fo ne mo hanfo mo ka hey hayowo ay di yanga asilan bi wani kyauye mo gafa hey wallahi so ga yanig na ne ni gafa to son da haifo duwai motu koy gi kar di fatala kolwaga ifo no nigi hingani Hai, kul no si duwai di ir ba nigi bai kan ai kwar gone da lokolo banda koi ne mo fu goyo ki ga taise asi lokaci sambu he ni sintin ga wasai sefa ni sintin ga wasai to hanga na imci ni se sanifo sagu so kan ga hagoi da cauyan kai ni a wani tigai manne kala bo kunno sindi inci kan gizan ka donton ama fattala kolwara ba da iwan filan mai lokaci warano aman hagu zamdin te yadin wo ni fur iwan alhakora wadin momente koyin mu zeni go amfani da zankai wano nono rice ciyan maga ifo no ni go rice sai wo koi ne yadin ga ni ba gane igai gare lokolwara hey sici hankan ai manci ni ma ai ya dai ne ni sai mahagoi din bon nimin goyo te temo matkan a himada nimis kwai gudu masala ne kwai kaina to la sabu didi ne inspector goka walmo sai ya morka yi kanan gogin ga imye kagar mu lakwali zai si yin gai klaso ga gacau mata wani gati <laughs> ayo mamila hal haya ga to ya kine amma ai ga hayo wote dai no im dugudu ai no rizikai na fo ai zibaira hai gwamnato yin banno gwamnato yin banno nim dugu zan kai wo no bere ya dinga washi bin ga nim hagoi diwan wo im dugu te ko niya amma matini no him gite sabili kan gana im ne subi kan daira to la rot mata ne gite songo to ni him gana no me zam hun kuna dine ni wani izo chawandika agote ni izo se yaki ne mata ni gani ifo he asibata no lauratu ai ga kwanda ihe nono ga ti wani gini funado ah ni di wala sikanu mi don ka sikani moga eh yi faham son wai sabu wallahi kani ne bon waferi asifila ya dirmo na gici yi kelai sai mu kwai ne a si asibori to za kan so ne ne ran doga ga saga ni ba ga ceri sallai sai biskiyo din ga kai ni fai mo ai da ngai mera bini yayi wo kai agoni bon kondara sambu nga noya eh wallahi biskiyo kan fa so wo chese margino ni gingine ri yachinu matka kanunda ayo ni gogai dukran dino fa <laughs> eh, kala ton ay ben beno me an nor gara ay ko gor fuwe ni du hay kan ni du sobai Chers auditeurs, euh, dans la rubrique culture linguistique d'aujourd'hui, qui est une rediffusion, notre rédacteur en chef Alassane Abdou nous explique les contours du mot disparition en français, puis en zarma. Le mot aujourd'hui, nous avons préféré choisir la disparition, qui vient du verbe disparaître. La disparition est le fait pour une personne de disparaître et donc de ne plus être vue visible, volontairement ou involontairement. Ce choix c'est surtout pour revenir sur le mot involontairement. Vous savez, la disparition, il y a plusieurs manières de se disparaître. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a tellement de disparitions involontaires que euh, le monde entier, à travers les Nations Unies, a érigé la journée internationale des victimes de disparitions forcées, appelée aussi journée internationale des personnes disparues. C'est un événement international célébré chaque année. L'expiration, pourquoi l'expiration et comment ça se fait C'est d'abord une stratégie de terreur. Les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Et nous constatons que dans les guerres, ou pendant les guerres, dans les conflits, un peu partout, les gens font ça. On enlève des personnes, on les tue, on fait pas mal de choses. Et là, c'est la terreur qui va euh, régner dans la zone et les gens vont vouloir fuir et partir et, et laisser la zone. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce mot-là pour expliquer à la population que la disparition, n'est pas uniquement volontaire, mais c'est involontaire également, et c'est surtout en période de conflit, de guerre, et de tout ce qui s'ensuit, que deux fois on enlève, de fois tu entends parler d'enlèvement des femmes. Mm-hmm. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et il y a des familles qui n'ont pas le courage de dire parce que il y a des pressions, il y a des menaces, il y a n'importe quoi sur ces familles-là. Et quand la famille va tenter de parler ou d'expliquer qu'un euh, membre de, de la famille a disparu, c'est que d'autres vont aussi suivre. Voilà ce que euh, j'aimerais dire euh, euh, sur le mot disparition. matakan da nake da su honda arkan gitan sar sannoga Sanizo zokir suban mantikala fot dare yon ke ci wat fo magine bora dare bora dare o fa birga zank flan dare hino nyanga de baba ibun mbono go dare dare yango man bora ko man tuga tugano so kimine bora non ko tuga dia dare yango ti wat fo bor ko kala sab ni di wongu wate fitin wati bore kan ko e go bori yandi ko konde gite tam yam bori yanga dare ge nyeze se yam mo gata wongu wate kan dukunan ine in buko kar ba hunu hamburu hmm. donc bori kan go batmara igi zu kidirde igi dare ki sek de ko ni yan ga bori ga hamburi midira Vous aussi, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, zarma, tamachek ou fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 à 64. Sinon, seulement pour nous d'écouter, nos auditeurs rencontrent nos auditeurs rencontrés par nos reporters à mission à l'intérieur du pays. sunana hassan abdu arzika ne mushan makaranta ne na lise kabarin kabara ta dogon dutse eh, studio kalangu gaskiya kafa ce ta sada zumunta muna sauraron labaru na ƙasar niger sahihai muke ji eh, musamman ma da suka ba da labarun cikin kowane yare kenan kaga duk wani ɗan ƙasar niger zai saurarawa zai ji kuma zai fahimta da abin da ke faruwa a duk ƙasar nishiyar ina gari din mu malam amadu abubakar da sauran abokan aikin mu na rashida sule malakabi suna La'air. to studio kalangu muna jin daɗin kasancewa tare da ita a kowane lokaci don da inda shirin su ya kama to duk inda zan nemo portable ina in saurari labarai ina nemo shi saboda ko da bani da wayayin whatsapp ne in dai ina da salula wadda zan saurari studio kalangu to ina nemowa ne saboda in saurari labari ta takan studio kalangu saboda duk abin da ya faru a niger kowane iri ne kai tsaye suna watsar da shi ina jin daɗin kasancewa tare da su a kowane lokaci allah ƙara musu goyon baya ɗari bisa ɗari kuma allah bar mu tare da su farko dai ina gaida ma'aikata duka na studio kalangu ina ba su dubun gaisuwa da fata alkhairi sannan kuma duka ma'aikata radio dalol ina gaida su sannan akwai ma'aikata daban-daban duka ina gaida su ma ina musu fata alkhairi akwai tonton ina aliyu mai rija shi ma ina gaida shi akwai babana dan galmi ina ba su dubun gaisuwa da fata alkhairi akwai kusu muna musu godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, ni dai sunana aliyu merija a tantsiya dogon dutse lalle alhamdulillah studio kalangu mu sai mu ce da alhamdulillah mun yaba musu kwarai domin duk aikin da nake in ba na saurari studio kalangu ba ganin nake na ragu saboda mi saboda abubuwa na wakana cikin inar da tan ko in ce cikin dan lokaci takaitacce za ka samun labari ya eh, sha ma Allahu kenan mun samu karuwa wadda ake so wadda ma yadda yadda ba a zato sha ma Allahu to na farko dai a jagoran mu cewa da dan eh, sarki dan galmi daga na hammatan kari akwai dan adawa kusu a nan dogon dutse fata alheri zuwa kowa da kowa Voilà, nous sommes euh, à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même, Ali Munkela Ouseni, alias Selo. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour euh, demain euh, pour un, un, nouveau numéro avec le duo.